Comme vous le savez, la stigmatisation, c'est le problème de ces personnes-là. La première intervenante là, a parlé de ça. On les rejette, même si elles sont guéries de la maladie, eh bien, ces personnes-là sont rejetées par la société. Alors qu'une personne guérie ne transmet plus la maladie Justement, dès la première prise de médicaments, le malade n'est plus contaminant. Il ne peut plus transmettre la lèpre. Mais avec tout ça, la personne fait un traitement souvent de six mois ou de un an, souvent les cas. Elle finit son traitement. Les gens continuent à avoir peur parce que tout simplement, la personne avant de venir a tardé. Elle n'est pas venue très tôt pour se faire soigner. Elle est venue à un stade avancé de la maladie qui fait que la maladie a gagné du temps. Il a soit des griffes. Apparemment, quand tu le vois, tu penses qu'il est toujours malade. Mm. Alors que quand on prend le sang pour vérifier, il n'y a plus de bacilles. Mais quand vous le voyez dans la ville, eh, eh bien, avec les dommages qu'il a sur le corps, les dommages corporels là, eh bien, la population a toujours peur de ces gens-là. Et on pense qu'ils peuvent attraper la maladie. ils peuvent attraper la maladie. En restant avec cette personne ah, qui est déjà guérie. Voilà, justement. Donc c'est ça qui fait la stigmatisation. Imaginez même des agents de santé hein, qui ne sont pas dans le cadre de la lèpre ont souvent peur. Ça, c'est une peur bleue. Ça n'a pas de sens. On peut envoyer un malade à l'hôpital, par exemple, pour, des soins. Hein, souvent, s'il n'est pas accompagné, il n'est pas soigné. Hein. Donc, c'est pour vous dire que ça peut paraître un peu bizarre. Mais il y en a qui, si vraiment le malade n'est pas accompagné, hein, difficilement qu'il est reçu.